waaw sama gars euh, terrain hockey sur glace après après le match comment ils sont organisés très bien organisés gis que euh, je rek c'est que euh, gars yi job voilà après match machine. après match gars après le match. hockey sur glace ils sont très bien organisés nag fii moom ligué, rek liggéey rek dinañ stade voilà benn après le match gars ont organisé tellement tellement bien organisé ba nga xamante voilà le gars a fait un job voilà nettoyer un terrain vie d'une façon tranquille Voilà, que voilà gars a fait du il appareil une machine là c'est tranquille le stade a été bien nettoyé